Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada, l'artiste s'exprime. Hey. Tous à la Fada, votre émission Jeune a concocté pour vous une nouvelle rubrique intitulée l'artiste s'exprime. Cette rubrique va à la découverte de nos stars au cours d'un entretien exclusif. Pour ce numéro de la rubrique L'artiste s'exprime, nous accueillerons le nouveau prince de la pop Made in Niger. Un jeune artiste qui sait de qui tenir. Et oui, parce qu'il a grandi dans l'univers artistique, couvert par la maman, la cantatrice de la musique nigérienne la légende vivante. Bébé, bébé, ta maman. Kema kuka kuka imbanyu wako saka kuka kuka eh, c'est pas la seule chanson qu'il a interprétée zaman dunia hankali Vous l'aurez compris, ladies and gentlemen, chers amis auditeurs, auditrices qui kiffent donc l'émission Tous à la fin à travers les 45 radios partenaires du studio Kalangu. Nous recevons sur l'artiste s'exprime, l'artiste kitari yau ki amince ni da zamu yau amana muka yi kuma mun tabbatar da ita yau La ya ah, sur l'émission, vous avez certainement compris, mesdames et messieurs. A qui on te souhaite la bienvenue. Comment tu vas, que Tu être la forme Ouais, bah, bah, bah, ça va, ça va. Tout ça se passe très bien là Ouais, ça va. Le monde musical ici au Niger, ça va Oh oui, c'est pas terrible, euh, ça peut aller. Toujours stylé comme on dit. Alors, question habituelle, tu vas nous parler de Kitari. Dis-moi, Kitari, présente-toi à tous qui kiffent cette émission à travers nos radios partenaires, puisque c'est une nouvelle rubrique consacrée à l'artiste nigérien. Alors, Kitari, parle-moi de toi, s'il te plaît. Euh, bah, Kitari, c'est tout simplement un jeune de 23 ans cette mhm. année, euh, titulaire d'un Master 2 en logistique et transport, donc étudiant avant tout. Yep. Et également artiste, chanteur, interprète, compositeur et voilà. tout ce qui va avec. Et également un artiste, acteur, comédien. Voilà. Acteur, comédien. Tout ça là pour donc Mr. Kitari. Alors Kitari, nous savons que tu as grandi dans la musique avec la maman Fatima Rico, la grande diva. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'être artiste plein Dis-moi ce que ça te fait toi. Bah, c'est un sentiment de surtout hein, de satisfaction et, et d'avoir touché mon rêve. Je ne dirais pas réaliser mon rêve, mais toucher le rêve parce que le rêve, il est énorme. Voilà, donc euh, c'est surtout euh, ce sentiment-là d'avoir euh, fait un premier pas dans un monde qui me fascine. Voilà. Ton destin était déjà tout tracé ou bien c'est avec le temps que tu as découvert ton âme d'artiste de temps en en fait Bah écoute, hein, Dondi... <laughs> J'ai jamais pensé que j'allais finir chanteur, je pensais plutôt que j'allais finir. Mais tu es euh, avec, tu as, tu as la musique de Leven <laughs> Bah oui, euh, j'avais plutôt pris euh, cette voix que je. En tout cas, négativement, parce qu'elle était légèrement aiguë. Donc je, je me sentais pas bien, je me sentais pas dans ma peau et tout. Mais finalement, j'avais compris que c'était une bénédiction en fait. bien sûr, que Dieu te bénisse, mon frère. Parle-nous un tout petit peu de ta carrière. Comment se passe actuellement cette carrière Mr Kitari euh, euh, bah, Tout se passe bien pour toi Oui, grâce à Dieu quand même, euh, j'ai eu la chance de me retrouver en entre vraiment, comment on l'appelle, entouré. Bien entouré quoi Voilà, très bien entouré parce mhm. que j'ai été signé dans une maison de prod et voilà tout est plus facile parce que je m'attendais pas à ce que j'ai une certaine facilité, surtout que dans ce monde-là, ici au Niger, ça, reste encore énormément. Mhm. Donc, euh, sincèrement parlé, euh, je remercie énormément Dieu de m'avoir un peu facilité les choses. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire et beaucoup de choses qu'il faut encore euh, développer, mais quand même, grâce à Dieu, maintenant, on est en train de mettre beaucoup de force pour que les choses évoluent. Voilà. Tu as démarré en solo, Mr. Kitari. Il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que tu constates déjà qui pourrait être un obstacle au Niger qui empêche ou qui peut empêcher un artiste de réaliser une grande carrière ici Parce bah- qu'on a l'impression que les choses ont du mal à décoller. Bah écoute, hein, là je risque de beaucoup parler. <laughs> Prends Parce une que... minute pour dire ce que tu as à me dire, <laughs> Mr. Voilà. Donc euh, sincèrement, euh, le conditionnement n'y est pas. Mhm. Malheureusement, il y a énormément de choses qu'il faut développer. L'industrie musicale n'existe pas ici au Niger, mhm. proprement dite. Mhm. Et mis à part tout ça, euh, les artistes ne sont pas dans certaines conditions pour pouvoir faire des productions qui peuvent euh, en mettre plein la vue. C'est vrai, on est en train de se débrouiller du mieux qu'on peut avec les moyens de bord et tout. Mhm. Mais malheureusement, euh, le, monde nigérien, ou bien disons, l'État nigérien n'a pas instauré un certain un certain climat qui peut favoriser les choses euh, voilà, pour l'art en général au Niger. Mhm. Mis à part ça, malheureusement, notre public n'adhère pas énormément. Mhm. Euh, le soutien manque euh, assez quand même. Mhm. Donc franchement, pour être un peu plus bref, le souci est à plusieurs niveaux, du côté de l'État, du côté des artistes, nous aussi, parce que il faut qu'on fasse des études pour savoir qu'est-ce que le public attend de nous, mhm. pour donner le nécessaire qu'ils veulent, mhm. pour que justement ils nous suivent, mais également le soutien manque de l'autre côté de, la population. Point. Mr. Kitari, tu as tellement de choses à dire par rapport à cette question. <laughs> Et je sais que tu vas bouger et eh, carrément les 35 minutes de l'émission Tout ça à la Fara. Quelle serait la suite de l'aventure musicale pour Kitari sur le court, moyen et long terme euh, sur le court terme, euh, il y a déjà euh, un album en cours. C'est quoi l'album déjà qui se prépare Bah voilà, hein, ça c'est une surprise. surprise. <laughs> ok, super. <laughs> Mais il y a vraiment un album qui se prépare. Il y a un concert bientôt. Je un concert bientôt oui. Le tour du Niger aussi Oui, une tournée nationale, ensuite une tournée sur le plan international. Super. Des featuring sur le plan national, des featuring sur le plan international. Oui, et sur le long terme, euh, trois albums en vue. Trois albums en vue pour toute ta carrière musicale Pas seulement, pas seulement, hein, pas seulement. <laughs> Et une expansion, pourquoi pas en Europe, euh, aux États-Unis. Ta musique, elle est vendable, ce que tu fais. Je sais que ça peut se vendre à l'extérieur. Moi, je crois fermement en toi. Alors, je te dis bon vent. Alors, on va pas te laisser partir, Mr. Kitari. Tu vas certainement faire plaisir à tous qui kiffent cette émission, tous qui sont aussi fans de l'artiste, parce qu'ils peuvent tous se retrouver à travers ta page de Facebook. Euh. Kitari officiel. K-I-I-T. T A R R Y et officiel. Alors tu vas faire plaisir à tes fans tout ce qui regarde, bien évidemment, euh, cette rubrique euh, à travers notre page Facebook, tout ce qui t'écoute aussi à travers les 45 radios partenaires, qu'est-ce que tu vas leur faire Impressionne tes fans, fais-moi plaisir, fais plaisir à tous qui nous kiffent. Alors je parle à travers cette <laughs> voix qui tue. Il n'y a pas de souci, donc euh, je vais essayer de, de chanter une nouvelle de mes chansons, bon, une chanson qui va sortir bientôt. dans le C'est de l'exclusivité, les voilà. Et j'aime bien, j'aime bien. Voilà. nous t'écoutons, euh, le titre c'est Playboy, donc voilà, je vous laisse découvrir, voilà. Super. De jour en jour, on s'éloigne et c'est à qui la faute Oh oui, c'est la mienne. Tu m'as donné ton cœur je l'ai brisé. Tu m'as donné ton âme, et moi je l'ai détruite. T'as eu foi en moi, t'as donné toute ta confiance. Oh oui, t'es tombé de haut, et plus bas que terre. Merci pour votre mort de confiance, merci Kitari, merci d'être donc présent sur euh, cette nouvelle rubrique où l'artiste s'exprime euh, sur l'émission Tous à la Fada. Merci à tous nos amis. Auditeurs, auditrices euh, du studio Kalangu, restez à notre compagnie dans un instant, l'émission Tous à la Fada.